وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام euh, Alors c'est Aiden qui répond ou c'est le papa Aiden Si on est à Arafat, Arafat c'est où Alors moi j'ai une question. Vu qu'on dit le meilleur doigt, c'est le doigt d'Arafat, on est tous d'accord Donc euh, il faut qu'on fasse l'effort de faire nos doigts ici là aujourd'hui ou pas Ahmed, c'est le meilleur doigt ici aujourd'hui non C'est pas euh, Arafat Nous on est Arafat ou pas ou saison. On peut faire nos doigts, non Oui. Non, non, euh, regarde pas derrière. Hein. Oui ou pas Le micro, il est là. Oui, on peut faire les doigts, mais c'est pas la même. Hein pas la même que le jour de Arafat. C'est pas Ce n'est pas la même. Ah, c'est pas le jour de l'Arafat. Donc, oh, le doigt, c'est le meilleur doigt. Le jour de l'Arafat c'est quand Le 9. 9e jour de Zulhijja. Zulhijja, c'est quel mois Banon c'est quel mois Banon Donc précisément ah, Alors si on dit le jour de Arafat, c'est le 9e jour des derniers mois de l'année lunaire. Dixième jour, 9 jour des derniers mois. Dernier mois, c'est 12e euh, mois de l'année lunaire. Là, c'est le jour de Arafat. Le doigt, c'est pour ça, toujours on répète ça ici, le pèlerinage c'est le jour précis, le mois précis et l'endroit précis. Le jour précis, c'est quand 9e jour des îles Hidja. L'endroit précis, c'est où Il faut que ça soit ici. Et il y a le mois précis, il y a l'endroit précis, il y a ces trois-là, comme je viens d'expliquer. Mais si on regarde, si on dit l'endroit précis, il faut savoir ce qui est là. Partout, il y a des panneaux, on avait dit euh, les panneaux jaunes, c'est délimité. Voilà, de dire là c'est Arafat, mais malheureusement, il y en a qui pensent que euh, la montagne, là, il y en a qui pensent que c'est la montagne seulement. Ou il y en a qui pensent si tu ne viens pas ici le jour de Arafat, que tu n'as pas fait le pèlerinage. Et ça, c'est faux. Le pèlerinage, si, même si on ne vient pas ici, l'essentiel qu'on rentre dans Arafat. Si on rentre dans Arafat, il y a des panneaux, il disent quand même, tu es début d'Arafat ou tu es à Arafat, reste là-bas, tu fais doigt. Alors une question, le professeur il a gêné le jour de Arafat, c'est ça On a dit le meilleur gêne, si on gêne le jour de Arafat, on gagne la récompense de... On a dit c'est deux ans de quoi De péché que le Seigneur pardonne. Et si on ne gêne pas Donc il faut gêner dans ces cas. Non Il faut gêner, ou faut pas. Hein qui sont pas ici. Oui, si. c'est pour dire qu'en gros, quand on ne gêne pas, c'est quand on fait le hash. C'est comme si on est là. Après le reste, on doit jeûner. Si on n'est pas là, c'est ça Si on n'est pas là, on doit jeûner. Mais si on est là, pourquoi on ne gêne pas Parce qu'on est déjà sur Arafat, c'est tout Non, c'est pas, pas tout. C'est la fatigue Non, c'est pas ça, parce qu'on est à l'homme au alors surtout, vous savez, dans notre religion, c'est comme on dit en arabe, tawqifiya. C'est-à-dire, euh, si on fait quelque chose, il faut qu'on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas que moi j'ai envie de faire ça. Non, non, c'est pas comme ça. On regarde, on dit, est-ce que le, euh, jour de Arafat, le prophète il a gêné ou il n'a pas gêné C'est ça qu'on doit poser la question. Hein, il a gêné ou il n'a pas gêné Il a demandé aux gens qui sont absents Il a demandé à lui-même, il n'a pas gêné. Et comment toi, tu as su qu'il n'a pas gêné Sallallahu ah, il faut répondre. Il y avait quelqu'un qui Il a vu manger, boire ou manger Ouais, je pense qu'elle a vu manger. Manger toi, tu cherches le nom de cette dame. C'est une femme euh, excellente, intelligente, mashallah. Et sur le chemin d'Arafat, nous allons passer aussi une autre femme aussi, mashallah. Ça, ça montre que notre religion, on n'a pas ignoré les femmes. Mais ça suffit de lire l'histoire seulement. Après, vous verrez que vraiment, il y avait des femmes, machallah. Et les professeurs parlent parle d'eux aussi. C'était des gens, machallah. Mais malheureusement, souvent, nous, on parle que des hommes. Il faut qu'on parle aussi des femmes euh, excellentes, pieuses. Ah, je pensais qu'elle parlent. parle. Voilà. Donc, ces jours-là, il y avait une dame ici. Le nom, tu nous ramènes après, n'oublie hein. pas. Hein. Soit Aiden, il nous ramène ou toi. Le professeur, effectivement, il n'a pas gêné les jours de Arafat. Vous voyez, ici, on est là les jours d'Arafat, c'est fatigant. Et la religion, elle est facile aussi. Imagine, on est là, en état de gêne. Il y en a, ils vont gêner. Hein. Mais c'est la fatigue, c'est fatigant. C'est difficile aussi. Et l'importance des jours d'Arafat, c'est quoi De demander à Allah wa ta'ala. Imagine si on est fatigué, fatigué. Est-ce que la personne, elle arrive à rester debout pour demander à Allah ta'ala Non. C'est pour cela que le prophète, n'a pas gêné les jours d'Arafat. Et comment on a su, on a dit qu'il y avait une femme excellente. Les compagnons eux-mêmes, se posent la question. Il y en a qui disent qu'il a gêné, il y en a qui disent qu'il n'a pas gêné. Donc, euh, des divergences. Ou on ne sait pas, on a des doutes. Il y en a qui disent oui, Or, il est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut lui demander, c'est ça Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait... Oui Il pas Il Et après, l'a laissé... Voilà, donc cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a ramené du lait. Elle a donné du lait. Ils ont ramené ça, ils ont rapporté ça au prophète sallallahu alayhi wa ici. Et il habille avant de boire, le prophète l'a soulevé d'abord, euh, avant de boire, c'est-à-dire pour montrer aux gens qu'aujourd'hui, je ne suis pas en état de jeûne. Parce qu'il y en a, ils vont se fatiguer de dire, le prophète l'a a jeûné, donc il faut que moi je jeûne. Mais lui, il n'a pas gêné. Donc lorsqu'il habille, maintenant, il y a plus de, on a la certitude qu'il n'a pas gêné. Et surtout de dire aussi, il n'est pas monté. Ça, je répète encore. Donc, si on vient ici, le but de venir ici, de voir l'endroit, de dire si Allah vous facilite, qu'Allah vous facilite, on vient le jour de Arafah, le jour de Hajj. Tu n'es pas obligé de venir ici. Si tu es un endroit, on dit c'est Arafat, alhamdulillah, fais le doigt. Mais si quelqu'un dit je viens pour voir, ce n'est pas interdit non plus. Mais de vous dire si tu ne montes pas que tu n'as pas fait le Hajj, ça c'est faux. Car le prophète sallallahu a dit, je me suis stationné tel endroit, mais partout, Arafat, c'est un endroit de stationnement. Ça, c'est clair. Il nous a facilité. Imagine aussi, c'était là, Arafat. Il y a combien de gens qui vont faire le Hajj Est-ce que c'est capable que euh, le, combien de personnes qui vont rester là Donc, euh, la religion, il faut qu'on souvent. La méditation seulement, on arrive à voir la réalité en regardant ou en se référant sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres questions ouais, euh, Adam et hawa ils sont comme Ah, Ah, ou comme parce que adam et hawa dans l'histoire comme on vient d'attendre ils sont descendus dans le, du paradis mhm. pourquoi c'est allah il a dit de sortir d'autres versets c'est allah il a dit de descendre pourquoi descendre et qu'est-ce qu'ils ont fait pour que allah il dit ils ont mangé, ce qu'il ne fallait pas donc tout ça, nous, on doit dire, toujours, il faut qu'on reste derrière le prophète sallallahu alayhi wa On reste derrière les recommandations divines, les recommandations d'Allah subhanahu Il nous dit, il faut pas, il ne faut pas. Donc Adam, il a fait ça avec Adam, alayhi salatu Alors Allah, il est descendu. Est-ce qu'il n'y a que deux seulement, ils sont descendus Non. Avec Avec Iblis, Shaitan. Ça, ça montre que Chétan, il est avec nous, il ne nous laisse pas. Hein. Et aussi, il est descendu. Ah, Chétan, oui, parce qu'il est descendu sur la terre aussi. Oh, hein. Ah non, non, eh, papa, qu'est-ce que Papa, il ne faut pas qu'il lui reste là-bas. Lui, il ne mérite pas là-bas, Chétan. Donc, là, Adam et Hawa, ils sont descendus. Oh. Donc, euh, on arrive à voir, parce qu'il nous pousse, Chétan, à faire des dégâts. Et après, lui, il part. Hein. Il y a déjà même Chétan, il perd d'eux. Hein. il dit, moi, j'ai dit une fois seulement non à Allah. Il n'a pas voulu procerner Allah, on est d'accord Combien de fois Hein? Une fois. Alors si on voit quelqu'un qui désobéit à Allah, je ne sais pas combien de fois par jour. Mais ça, c'est la miséricorde d'Allah que le Seigneur nous a donné On n'est pas parfait. Ça arrive, on fait des erreurs, mais qu'est-ce qu'il faut faire par la suite C'est repentir. C'est quoi les règles ou les conditions de repentir On dit repentir les conditions. Les conditions pour que le Seigneur accepte, on dit pas, Trois conditions pour que le Seigneur accepte euh, le repentir. Les conditions, le repentir sincère en fait. Trois conditions, oui. Regretter. Il ne faut pas faire encore. Il oui, demander il fait partie. Deuxième, oui, il a dit regretter. De, et prendre une décision de ne jamais faire et... Voilà, alors là, déjà, si quelqu'un, la personne a regretté, et tu prends des choses de ne jamais faire, et de laisser directement, bon, ça c'est de l'eau, hein. mais alors il ne faut pas que je prenne l'exemple. Imagine quelqu'un, un fumeur, on prend l'exemple d'un fumeur, sinon faut pas que je prenne euh, de l'alcool, hein, <laughs> que je le protège. Un fumeur, par exemple, il dit j'ai fait taouba. Alors, il a, ça s'appelle comment un club. Hein. club euh, il fume un club, c'est ça par exemple, il dit, je fais Taouba. S'il fait Taouba, les conditions, c'est il faut qu'il laisse directement. Il se débarrasse de ses... Hein? Parce que ça ramène la maladie, gaspiller l'argent. Alors, si lui dit, j'ai fait Taouba, mais il a un paquet. Alors, est-ce qu'il doit dire, bon, il faut finir le paquet Ou j'attends, dès que je termine comme ça, je fais Taouba Ou il faut laisser directement Directement. C'est pour ça qu'on dit, Si tu dis, tu fais Taouba, tu laisses directement et de regretter aussi et tu prends des choses de ne pas faire et en plus il y a quoi après il faut, il faut suivre par le mal le bien. Non, il faut suivre le bien par le mal. Non. Le mal par le bien. Le mal par le bien. C'est bien. Quelqu'un a fait du mal, et il fait suivre maintenant des hasanat derrière. Le prochain, il a dit ça efface. C'est cela dans le Coran, dans le au vers la fin, juste avant Surat Yusuf, Allah nous a dit aussi, C'est aussi, in al que les bonnes œuvres, les bonnes actions dissipent, effacent aussi les mauvaises. Quelqu'un a fait des erreurs, c'est normal, on est un être humain. Mais il faut qu'on répand, on se répand vers le Seigneur avec des bonnes œuvres. Et Cheikh Al-Hussein, il a rajouté, c'est les choses de faire hasanat de multiplier beaucoup de hasanat aussi, ça c'est très important. On demande qu'Allah nous donne beaucoup de khair dans ce moment le jour de la résurrection et qui nous facilite à tauba. Donc tauba toujours, j'ai ça, donc là je laisse directement et après, alhamdulillah, Allah pardonne subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres questions ou pas Donc si on dit le pèlerinage c'est Arafat, Sadara c'est la base. C'est le pilier des de Hajj aussi. Si on ne vient pas, c'est comme on n'a pas fait le Hajj, oui c'est l'endroit qui est Arafat, même si on ne vient pas jusqu'à là. Oui. Mais là, maintenant, il met des temps, je met des clips, on va dormir, oublier tout. Alors, non ça dépend. alors moi, personnellement, je dirais, si on vient passer les jours des Arafat, les pèlerins, ils font combien de prières ici Un seul. Quelle prière ad Oui. Zohr al-Asr. Hein Il faut le Maghreb aussi ah, Hein non, il faut un al l'Asr ici. Al-Maghreb, alors voilà, c'est ça. Les jours de, de, Arafat, il faut qu'il y ait al à l'Asr ici, l'heure des Zohar. Djamou Takdim, 2, 2. Comme ça, vous avez le temps large pour faire quoi L'invocation. Et ces jours-là, vraiment, c'est mouvementé. Il faut la patience totale. Donc, c'est ça, si on vient le jour de Arafat, c'est mieux si on mange. Si quelqu'un arrive à dormir un peu, un peu de sieste, ça fait du bien. Comme ça, ne serait-ce 20-25 minutes, comme ça, il faut faire doua jusqu'à Maghreb. C'est ça, le Maghreb, ça nous trouve ici. Mais, le Maghreb, il nous trouve ici. on ne doit pas sortir ici avant le Maghreb. Le Maghreb nous trouve ici à Arafat, mais la prière d'Arafat, c'est à Muzalifa. Nous allons vous montrer Muzalifa. Ben, nous allons passer là-bas. Donc c'est là-bas qu'on doit faire Maghreb et al aussi. Donc, mais ici, on ne doit pas sortir avant le Maghreb. Mais même si on est là jusqu'à 1h du matin, on ne prie pas aussi là, hein. on doit partir à Muzdalifa. Et ça, c'est très important. Alors la clim, tout ça, alhamdoulilah, ça, il pas de problème. Allah nous, a, Allah donné une chance que nous, c'est notre époque. On ne sait pas, peut-être plus tard aussi, il y en a, ils vont avoir encore mieux plus que nous. Parce que si on regarde avant, ce n'était pas ça. Mais le problème, c'est quoi Si on vient, tu es en dessous la clim, ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quoi Les personnes qui partent ils perdent leur temps à parler de rien du tout les jours de Arafat. Ça, c'est un vrai problème. Et ça, c'est très grave. Sur le temps, tu parles de lui, tu parles de l'autre. Ils discutent des choses, rien du tout. Ça, c'est très grave. Parce qu'on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. On doit demander parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu vois quelqu'un, il se repose un peu, il mange, il dort un peu avant, parce qu'il prend la force, c'est bien. C'est cela que le procès ne l'a pas gêné ces jours. Imagine quelqu'un est jeune. Après, il est fatigué, il dort. Ben, l'après-midi, euh, c'est difficile. Hein. Mais si tu manges bien comme il faut, de dormir un peu, comme ça tu rattrapes ou tu gagnes par la suite. Parce que la religion, il faut faire vraiment le moment que tout va bien. Et ça, ça montre que l'islam aussi, ça euh, il ne nous sert pas d'une manière. Il nous laisse euh, la liberté totale et c'est facile aussi la religion. Tout ça, le prophète, sinon là, il pouvait faire gêner le prophète. Mais imagine si le prophète l'avait gêné ici, mais il y en a, ils ne vont jamais couper ici. Ils vont dire non, le premier l'a gêné, donc moi je dois gêner. Mais il nous a facilité. On ne gêne pas, alhamdulillah. Mais ceux qui ne viennent pas ici sur place, oui, c'est important de gêner. On arrive là, les récompense c'est combien Ils ont des récompenses ou pas Hein Des ans de péché que le Seigneur y pardonne. Et ça, ce n'est pas négligeable. Hein? Qu'Allah nous donne beaucoup de khair. C'est bon, tout est clair Alors qu'Allah vous facilite le hajj, euh, plusieurs hajj à nous tous et plusieurs omraoui. oui. La femme de qui Oui, c'est lui, il doit chercher le nom. Au moins que si tu peux l'aider aussi, c'est pas interdit. Hein. Oui. Hein? Oui, on peut faire. Si Allah te donne euh, la possibilité, tu, peux faire plusieurs hajj. Hein. Mais une fois, c'est. Alors, obligatoire, oui, c'est ça qui est, qui est demandé. C'est cela, le prophète il a dit dans les hadiths authentiques lorsqu'il a dit Ya Oh vous les gens, les, ben, les, euh, Allah il a parlé ça aussi dans le Coran. Hmm. Imran. Si vous avez la possibilité, la possibilité, euh, c'est détaillé. Hein. Il y en a, c'est financièrement. Il y en a, financièrement, ça va, mais au niveau de la santé, ça ne va pas. Il y en a, il y a d'autres choses aussi. Ben, tout ça, en compte. Tu as la possibilité, tous les côtés. Et après, Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Mais par contre, est-ce que c'est deux fois de l'année, euh, ta vie, c'est une fois dans ta vie qui est demandée. Il a dit, Inna Allah alaykum. Dans le hadith, il a dit, Il y avait quelqu'un, il a dit, Il a dit, oh, oh professeur est-ce que c'est chaque année Le professeur n'était pas content. Mm-hmm. Et le monsieur, il a répété encore trois fois. Est-ce que c'est chaque année Il n'a pas répondu. C'est après le professeur, il a dit, il a si j'avais dit oui, alors ça deviendra obligatoire chaque année. Et vous ne pouvez pas aussi. Est-ce que même les Mekwa ici Non, on peut pas. Est-ce que les Mekwa déjà ils font le Hajj chaque année C'est un non, non Oui. Hein. Même les Mekwa, c'est impossible de faire chaque année. Donc tu as la possibilité, si tu peux venir, c'est bien. Chaque 5 ans, tu as la possibilité. Ou si tu peux venir aussi, il n'y a pas de problème. Mais on parle l'obligation. C'est une fois dans ta vie. Et après, le reste, le reste c'est surrogatoire. Tu peux faire le hajj pour quelqu'un Oui, si tu as fait d'abord. Comme à l'Omra, voilà. Comme on a expliqué au niveau de l'Omra, fais d'abord et après tu fais pour... Euh, Alors je peux faire le Hajj euh, deux fois par année, c'est ça je peux À quelles conditions Des, des Hajj de l'année. Admettons, je fais euh, pour moi cette année, et après cette année, quelques mois, je fais pour une autre personne. Non, c'est une période précise. Pourquoi Ben si, voilà. Si, oui. Ah, à part si tu payes quelqu'un. Oui, oui, ben, ben, explique, tu peux faire des hajj de l'année. Oui, ah, comment Hein? Alors, mais, admettons cette année-là, le Hajj qui vient, Hajj 2025, je peux faire des Hajj ou pas C'est ça la question. Pourquoi non Hein ah voilà, c'est ça, il ne faut pas oublier les trois qu'on avait dit. Si on vous dit les Hajj, c'est un endroit précis, les jours précis, un mois précis aussi. Donc là, imagine quelqu'un rate à Arafat. Et le jour d'Arafat, ça commence Yom 8e, jour, des, 12e euh, mois de l'année. Imagine quelqu'un, lui, il est là. Alors Arafat, c'est fini. Ça, c'est pour lui. Ou il a fait pour quelqu'un. Mais est-ce qu'il peut faire encore euh, il faut attendre encore 9 neuvième jour, encore plus tard. Donc, le Hajj, c'est une fois dès l'année. Donc, tu peux faire pour quelqu'un, mais il faut que tu fasses d'abord, après tu fais pour quelqu'un. Oui. Oui, je disais, si par exemple, Allah il a donné la chance pour quelqu'un de faire une seule fois. Oui. Toi, tu es riche, au lieu de faire tous les ans ou tout le temps, tu ne peux pas donner la chance à quelqu'un d'autre d'ordre de donner de l'argent que cette personne fait aussi. Parce que toi aussi, tu n'auras pas la même euh, récompense. Allahu Alam la récompense quand même, hein, tu auras la récompense, mais est-ce qu'on peut dire à lui qui est riche, machallah, qu'Allah nous donne beaucoup de khair, est-ce qu'on peut dire à lui qu'il est obligé de payer quelqu'un pour faire le hajj Alors ça, ça vient de sa volonté. Si lui-même il dit, ah, aujourd'hui ou cette année, je vais envoyer quelqu'un. Ça, c'est sa volonté, c'est très important. Mais par exemple, si quelqu'un, lui, il n'a pas la possibilité, le Seigneur, il ne va pas lui demander parce que pourquoi tu n'as pas envoyé lui au Hajj. Et souvent, il y a des choses qui se passent aussi malheureusement. On arrive à voir combien de personnes, ils envoient leurs parents au Hajj. Mais si tu demandes lui d'abord, renom, il n'a pas fait le Hajj. Alors pourquoi tu n'as pas fait le Hajj C'est quoi la réponse ah, parce qu'ils disent qu'ils pas pas envoyé leurs parents. il y a des, des pays où ils disaient qu'en gros, tant que leurs parents ne sont pas y allés, hmm. bah, eux, ils ne pourront pas y aller, même s'ils avaient eux l'intention ou les moyens eux-mêmes, mais, mais, ils n'iront pas. Et c'est pour ça, c'est pour cela, c'est très important d'apprendre la religion. Que vraiment on soit au courant de notre religion, qu'on apprend notre religion, ça nous soulage, ça nous facilite tout. D'envoyer quelqu'un au Hajj, ce n'est pas intéressant, il faut comprendre. Moi, je dirais le mieux, si quelqu'un, Allah te donne la possibilité, viens avec tes parents ici. Ça fait beaucoup plaisir. Je me rappelle, ça fait combien d'années en arrière, quand j'ai ramené ma mère ici, ça fait beaucoup plaisir. Tu ne peux pas oublier. Si les parents, nos mamans, nos papas, ils nous font droit, on sait c'est exaucé, c'est machallah. Mais d'être allé à côté aussi, les jours des Arafat, c'est machallah. Donc c'était euh, là, de venir ensemble. Et puis de faire beaucoup de doigts de venir. Ça c'est touchant. Et d'aider tes parents aussi, même si on aide nos parents n'importe où. Ah, la bénédiction c'est machallah, beaucoup de khair. Mais imagine euh, Al-Umra ou, par exemple, euh, Akhoun Ahmed, euh, Allah avec la maman, par exemple. Ou les personnes qui ont, ils sont accompagnées de leurs parents ici. Le fait de tenir la main de ton père, ta mère, à côté de toi, il a besoin de quelque chose, tu le ramènes. On a lu les hasanat, les prières à 100 000 récompenses. Mais il faut savoir, les hasanat aussi, c'est machallah. C'est bénédiction, c'est une adoration aussi vis à -vis de nos parents. Donc c'est comme on a beaucoup, machallah, ils ont ramené, il y en a, ils ont ramené leur papa, il y en a, c'est leur maman. Que tu l'envoies comme ça et que tu es avec lui, c'est pas comparable. Hein. on a vu ça aussi, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, j'envoie mon père, j'envoie ma mère. Mais tu sais même pas comment ça se passe là-bas. Vous savez, le guide, on arrive à s'occuper individuellement, chacun à son tour. Est-ce qu'on arrive à ramener de nourriture à lui, à l'autre On peut ramener, on dit, voilà, là c'est Arafat, Tawaf, c'est comme ça, on fait Doha. Ça, c'est notre possibilité. Mais de ramener chacun dans le magasin, d'acheter, peut-être lui il a besoin de pantalons, <laughs> Jonathan il a besoin de l'or pour acheter euh, pour madame, et ça dépend. Donc, mais de ramener ta mère ou ton père dans le haram, ou faites la prière côte à côte. Tu dis maman ou papa, fais-moi doigt à côté de la Ça, c'est des choses, euh, machallah. Mhm. Au lieu d'envoyer comme ça, c'est pas que oui, j'ai envoyé mon père ou ma mère. Il y en a, c'est le nom. Il y en a, c'est sincère, Allah Mais moi, je dis, le mieux, le mieux, si tu as la possibilité, j'ai bien dit, hein, si tu as la possibilité, viens avec eux. Viens avec, si tu n'as pas la possibilité de ramener le deux en même temps, viens avec ta mère d'abord. Parce que chez nous, chez nous en islam, la maman, c'est mashallah. Viens avec ta mère d'abord. Alors chez nous, souvent, tu fais attention, sinon papa, il dit, ah, bah, Là, c'est pas facile euh, chez nous. Or là, en islam, le mieux, comme ça, là, il nous a conseillé le professeur Salam. Donc là, tu viens avec ta mère. Et après, prochaine fois, tu viens avec ton père. Mais si tu as la possibilité, viens avec le deux. Vous faites vos hajj, vous faites vos doigts, tout, tout, tout. Il y a beaucoup de baraka, beaucoup de khair. Mais le père, il ne veut pas ça. Hein. Ah ouais, bah voilà, le papa. Par exemple, le papa, papa Traoré, il est là. Les enfants, euh, <laughs> les enfants, il disent, les enfants, ils disent, oro, oro, maora, Et y a un moi, j'ai eu déjà une question comme ça. Hein. la maman, c'est elle-même, hein. elle a, expliqué aux enfants. C'est-à-dire, ah, quand la maman, elle a dit, euh, les enfants, ils ont dit, on ramène euh, la maman au Hajj. Eh, elle, a eu peur. Ah Parce que souvent, il y a des papas, leur réaction, c'est fort. Hein. Il y en a, ils l'acceptent or là, religieusement. En islam, les professeurs, lorsqu'ils ont questionné à qui je dois faire euh, vraiment de bonnes œuvres en bonté d'abord. Première chose, il a dit ta mère trois fois après papa. Ça, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le côté de papa aussi. Non. Mais la maman d'abord, après on fait l'effort pour papa. Mais si on a la possibilité, allez-y ensemble. En plus, c'est vrai et à la Fenrej en juin. Ah. Mon père, genre, ça l'a un peu contrarié et tout. <laughs> Alors il est là, papa. il est là. Il est là, papa. Hein. Du coup, ma soeur, ah, elle a dit, bon, on va prendre On fait l'ombre euh, vous voyez, non, ça arrive. Euh, ça, ça arrive.